forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18 euh, passé de 15 minutes à Niamey. Messieurs et messieurs, messieurs, dames, euh, bonsoir. Merci de nous recevoir euh, chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de la presse du studio Kalangu à la présentation Reila Tousmana. Comme chaque vendredi, nous sommes aujourd'hui avec les confrères de l'audiovisuel de la presse écrite ou en ligne pour le décryptage de l'actualité de la semaine dans le respect mutuel. Au cours de ces 45 minutes, nous allons tout d'abord évoquer l'interpellation de l'ancien président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou, par la police judiciaire. L'Assemblée générale des Nations unies, notamment le plaidoyer pour le financement de la force G5 Sahel, nous parlerons de la journée mondiale de la contraception célébrée ici au Niger comme semaine nationale de la planification. Nous ferons un zoom sur la région de Maradi. Nous évoquerons aussi la question du Hajj 2017 avec le retour des pèlerins nigériens d'Arabie saoudite et du sport pour parler de la participation du MENA à la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA qui s'est déroulée au Ghana du 6 au 25 septembre dernier. Avec nous, pour développer ces sujets, Garé Amadou du quotidien La Nation, bonsoir. Bonsoir. El Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter, bonsoir. Bonsoir. Et M. Roufaï Dandoua, journaliste indépendant que nous attendons incessamment. Nous avons aussi Mohamed Maman, notre correspondant de Maradi, que nous avons en ligne. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Nous reviendrons vers toi tout à l'heure pour plus euh, d'éclaircissements. Bonsoir à tous. Nous ouvrons tout d'abord ce forum avec la journée mondiale de la contraception qui est célébrée le 26 septembre de chaque année depuis 2007. Au Niger, une semaine entière est dédiée pour la célébration de cette journée nommée Semaine nationale de la planification familiale. Notre pays enregistre un taux de fécondité de 7,6 enfants par femme, l'un des plus forts taux du, au monde, soit une croissance démographique les plus forte à 3,9% par an selon l'Institut national de la statistique. Selon Christelle Rekiatou la ministre de la Population, seulement 14 femmes 14% des femmes nigériennes mariées utilisent une méthode de contraception moderne contre une moyenne de 12% au plan national. Dans le plan de planification familiale 2013-2020, le Niger entend néanmoins porter son taux de contraception à 50% d'ici 2020. À présent, nous allons partir à Maradi où nous avons notre correspondant en ligne. Bonsoir Mohamed. Bonsoir tout. Selon des chiffres, le taux de fécondité reste le plus élevé au Niger, mais c'est la région de Maradi qui enregistre l'un des plus forts taux nationaux. Y a-t-il des chiffres qui illustrent cet état de fait et surtout quelles en sont les raisons Bonsoir, euh, chers confrères, bonsoir, euh, chers auditeurs. En effet, euh, les chiffres pour l'année 2017, pour expliquer cet état de fait, ne sont pas encore disponibles hein, au niveau de la Direction régionale de la santé publique. Mais une enquête diligentée par la même direction au niveau de quatre départements, à savoir Maradi, Aguier, et savoir euh, par rapport aux femmes âgées de 15 à 49 ans utilisant les contraceptifs modernes, donne euh, des résultats pour l'année 2015, euh, 117 453 femmes, et pour l'année 2016, 114 914. Si vous comparez ces chiffres, vous remarquerez qu'il y a une nette baisse en 2016 ce qui s'explique, euh, selon le le service euh, pour la programmation informatique sanitaire, par le fait que euh, certaines anciennes utilisatrices ont arrêté donc la prise de ces produits pour diverses raisons, soit pour des complications liées aux effets secondaires des produits, ou soit parce qu'elles aspirent seulement à avoir d'enfants. Et Mohamed, donc, comment cette contraception est-elle perçue dans cette région, notamment en zone rurale les femmes, hein. il faut reconnaître qu'en Maladie, les femmes utilisent euh, de plus en plus euh, ces méthodes euh, contraceptives. par exemple, au niveau du centre de la mère et de l'enfant, le directeur me fait savoir que chaque femme qui accouche passe d'abord au service de planification familiale pour être sensibilisée avant de sortir. Mais il faut reconnaître que le taux est à l'image de tout le pays, c'est-à-dire très bas. pour revenir à votre question, il faut reconnaître aussi que Maladie est une ville fortement islamisée ceux qui euh, combattent la contraception véhiculent des fausses informations comme quoi la contraception est un moyen inavoué euh, de limiter les naissances. Cette fausse euh, interpellation, je le dis, est pour beaucoup d'agents à la base de la réticence qu'on observe aujourd'hui. Euh, la contraception est juste, comme vous le savez, une méthode permettant à un couple de décider d'espacer les naissances à un temps voulu. Et je pense que toute la lutte doit être menée à ce niveau. Merci Mohamed, reste à l'écoute pour la suite euh, du forum. Donc, euh, Garé, vous êtes euh, journaliste du quotidien La Nation. Selon vous, pourquoi le taux de fécondité est aussi élevé au Niger Voilà, ça c'est la question à, 10 <laughs> 000 dollars. Je, ne sais pas pourquoi le taux de fécondité est, élevé au Niger, mais vous savez, il est de, coutume, en tout cas selon la tradition, avoir des enfants c'est une bénédiction. Vous comprenez Donc, euh, euh, dans nos traditions, on ne conçoit pas que ce que. Parce qu'on considère qu'un enfant, c'est un don de Dieu. On ne considère pas que ce que le bon Dieu nous donne, que nous puissions dire que nous ne voulons pas et que nous allons même euh, diminuer cela. Pour le musulman et pour le, le Nigérien même traditionnel, avoir des enfants, c'est tout à fait naturel. En avoir beaucoup, c'est encore mieux. Est-ce que vous comprenez C'est pourquoi toutes les politiques de contraception qu'on a essayé de mettre en place ont pratiquement échoué. Parce que c'est difficile. Vous avez les religieux qui ont leur vision. on doit respecter leur vision. Ils disent que non, c'est Dieu qui donne les enfants. N'est-ce pas Vous avez l'autre côté les Occidentaux qui vous disent non, non. Il faut diminuer vos enfants, vous. C'est eux qui vous disent. Diminuez vos enfants et on va vous donner de l'argent. Bon, c'est compliqué. C'est vrai que mettre au monde les enfants et puis ne pas pouvoir leur donner une bonne éducation, ne pas pouvoir bien les nourrir, ça aussi c'est mauvais religieusement par là. Maintenant, comment faire Si un État décide bon, qu'il faut adopter euh, des politiques de planification familiale, comment les mettre en œuvre C'est ça toute la question en fait. Ce n'est pas que. C'est des, des, mesures qui sont euh, euh, importantes. C'est-à-dire que permettre aux femmes d'espacer leur naissance pour pouvoir gérer les enfants qu'elles ont. Mais comment mettre en œuvre Parce que je vous dis, depuis qu'on en parle là, depuis longtemps qu'on en parle, ça n'a jamais marché. Mais peut-être qu'il y a aussi certains qui n'ont pas compris. Eux, ils comprennent qu'il faut arrêter les naissances et non les espacer. Oui, peut-être. Vous, savez, d'abord, les gens sont soupçonneux par rapport aux méthodes de contraception. Parce qu'on leur dit que bon, ce médicament-là, vous allez le prendre pour espacer. Ils se disent alors peut-être que non. Peut-être que la conséquence, c'est que ah, après deux enfants, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Donc les gens ont peur. Les gens... Et c'est pourquoi vous avez vu quand il y a des campagnes de vaccination de polio, les gens ont dit Ah non, non, c'est... en fait, ce n'est pas la polio, les gens veulent. Oui, il y a des résistances au sein de la société. Maintenant, tout le problème, je vous dis, comment est-ce qu'il faut mettre en œuvre C'est bien l'objectif, c'est de, d'amener la contraception à 50% d'ici 2020. C'est, c'est un objectif ambitieux. Mais comment le faire quand on a tellement de résistances culturelles, religieuses C'est ça toute la question. Merci Garé. Donc Hajj Suleiman, euh, à votre avis, à cette allure, est-ce qu'on peut espérer euh, une, un dividende démographique euh, C'est très compliqué. C'est d'autant compliqué qu'il y a la pesanteur culturelle, socio-culturelle. nous avons cette semaine-là accordé une interview à Cheikh Ben Halima sur la question du dividende démographique, qui est un occidental, il faut le dire, la position de l'islam, elle est très claire. Euh, il a dit. Euh, si c'est l'intention, et c'est ça le vrai débat, si l'intention effectivement c'est la crainte de la pauvreté, il pense que l'islam est très ferme par rapport à cela. C'est cela qu'il faut éviter. Et c'est ça justement le focus du politique. Euh, maintenant, il dit que la vraie question, c'est la malgouvernance et la corruption qu'il faut améliorer. Il dit que, par exemple, le Niger et l'Afrique ne sont pas surpeuplés, mais plutôt il y a un problème de malgouvernance et de corruption qui gangrène la situation. il est allé un peu pour dire par exemple, si le barrage euh, a été fait depuis des années, en fait, disons qu'il pose vraiment un problème réel, à savoir que euh, il faut véritablement agir sur la gouvernance. Et l'autre aspect qu'il a développé dans, cette interview, très très intéressante, en tout cas que j'invite les gens à lire absolument, euh, c'est qu'il dit par exemple, en Occident, c'est une autre vision, ils ont une vision mathématique. Euh, on pense on voit trop d'enfants, c'est beaucoup d'écoles, mais en fait, c'est la vision. Là se pose la question donc civilisation, comme l'a dit Macron, mais véritablement, d'un point de vue de l'humanisme, euh, franchement, cette vision, elle reste en tout cas loin des précautions, en tout cas africaines. Vraiment, pour mes, raisons par rapport à la question, en tout cas, mon sentiment, c'est que le débat doit être fait. Et, je ne suis pas sûr que véritablement le politique, euh, euh, au niveau de la mise en œuvre, il est à l'aise. Parce qu'il y a des réticences. Parce que la question de fond, c'est que, je, me souviens, en, sous l'ancien régime au temps Le gouvernement a voulu vraiment forcer les, choses au niveau du Parlement, mais les députés disent que cette question, c'est une question religieuse, donc c'est entre eux, avec, avec Dieu. Donc, bref, moi je pense qu'il y a un travail, en tout cas, de communication à faire. Il ne faudrait pas que. On a un timing, mais il y a des questions véritablement, il y a un travail de communication à faire pour convaincre les gens que, en réalité. Sinon, fondamentalement, l'islam n'est pas contre opposé catégoriquement en fait, à l'espacement ou bien au planning familial. Euh, il a dit vraiment, euh, d'un point de vue de l'islam en tout cas, le musulman puissant et fort est plus en fait intéressant qu'un musulman faible. Donc par conséquent, l'islam ne peut pas euh, donc ne pas encourager l'éducation, la santé, et vraiment tout cet aspect, en tout cas positif, euh, visé par le développement démographique. D'accord. Donc, selon vous, comment promouvoir efficacement le planning familial au Niger euh, Mais véritablement, euh, en, communiquant, il faut expliquer vraiment aux femmes. Les femmes le vivent vraiment. C'est une question de santé, c'est objectif. Une femme qui, chaque année, elle, a, elle donne, a, elle a, un enfant, mais sa santé, elle est en danger, la santé de ses enfants. Donc, il me paraît évident que euh, le chèque l'a dit, par exemple, même d'un on conçoit que, par exemple, euh, qu'une femme, par exemple, qui a un enfant tous les trois ans, quand elle a le temps de se reposer. Donc, véritablement, il y a des arguments euh, vraiment objectifs pour, en tout cas, convaincre les femmes que vraiment, il est bon pour leur propre santé, la santé de la famille et, des, enfants, qui, effectivement, de faire l'espacement. Euh, maintenant, bon, il y a aussi l'autre aspect qui, dans la réalité aussi, qui gêne les femmes, c'est qu'il y a des effets négatifs, des, effets secondaires sur la santé des femmes aussi, quand elles commencent à, à, prendre ces produits-là. Donc, euh, souvent, elles arrêtent euh, à l'insu des maris. Donc, tout cela, vraiment, je pense qu'il y a un travail de communication, de sensibilisation pour vraiment amener un changement de comportement au niveau des familles, particulièrement au niveau des, femmes. Et l'autre aspect, c'est que aussi, lorsque le couple. Vous la question, elle est très complexe et, parce que simplement, en réalité, au niveau du couple, un peut vouloir justement le planning familial l'autre peut, vraiment refuser. Donc vous voyez, vraiment, il y a un travail à faire. C'est pourquoi il faut impliquer les religieux, les chefs traditionnels, en tout cas tout le monde, pour qu'on puisse véritablement avoir un résultat concret. Merci Gary. Donc euh, selon vous, vous avez quelque chose à ajouter pour promouvoir euh, le planning familial Oui, moi je pense que la, meilleure méthode, c'est vraiment d'associer toutes les structures, et d'associer toutes les, les, structures religieuses, convaincre toutes les structures religieuses. Parce que sur ce sujet-là aussi, il y a une division nette entre les associations religieuses. Il y a des associations qui sont catégoriquement contre, il y en a qui sont pour. Et tant qu'il n'y a pas une sorte de symbiose entre les associations religieuses sur ce sujet-là, je vous assure qu'on a beau faire tous les programmes. Les Blancs ont beau, excusez-moi de l'expression, les Occidentaux ont beau injecter de l'argent, ça ne marchera pas. Vous comprenez Et c'est ce qui fait dire à quelqu'un que, bon, eh, par exemple, la, césarienne qui est devenue de plus en plus euh, euh, fréquente maintenant, on ne connaissait pas ça avant. Vous connaissez, vous comprenez. Donc maintenant, la césarienne est tellement systématique qu'on dit que non, quand on fait à une femme trois fois la césarienne, elle ne peut pas accoucher. Et dès que vous amenez une femme à la maternité, c'est la tentation. Mais, non, mais mais mais mais il y en a marre de cette césarienne là. Il y a des pères de famille qui disent non. Dès que vous amenez votre femme, vous dites non, vous ne voulez pas la césarienne, vous voulez qu'elle accouche normalement. Parce que vous avez compris que si elle fait trois césariennes, c'est terminé. Donc peut-être que c'est une méthode. Je pense que et ce qui est bon pour les Occidentaux, ce n'est pas évident que ce soit bon pour nous. Il l'a dit, n'est-ce pas Nous avons les ressources pour pouvoir nourrir nos enfants. Maintenant, est-ce que les Occidentaux nous laissent d'abord profiter de nos ressources Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'ils nous laissent profiter de nos ressources Nous avons l'uranium, nous n'en profitons pas. N'est-ce pas Nous n'en avons que 5%, on dit. Est-ce que c'est normal Et ce sont les mêmes qui disent que non, non, on ne peut pas nourrir nos enfants. Laissez-nous nourrir nos enfants. Laissez-nous profiter de nos ressources. Merci, Garé. Donc, euh, autre sujet de la semaine, il s'agit notamment de l'interpellation d'Assan Seydou, ancien président du conseil de ville de Niamey. Il a été interpellé le mercredi à la police judiciaire de Niamey relativement à sa gestion à la tête de la mairie centrale qui a duré trois ans. Hassan Seydou a été révoqué par le Conseil des ministres du 20 juillet 2017 euh, suite à un constat du président de la République euh, Issouf Mamadou suite à l'insalubrité dans la ville de Niamey. Le président a reproché au responsables municipaux, je cite, leur incompétence et insouciance dans l'assainissement de la capitale. Fin de citation. Anka El Haj Suleiman de Niger Inter, selon vous, pourquoi l'ancien président du conseil de ville a été interpellé par la PJ Selon nos informations, il serait interpellé par rapport à sa, à sa gestion on ne sait pas elle est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, c'est par rapport à sa, à sa gestion et vous savez, juste après sa révocation, euh, son parti avait quand même fait un communiqué dans le sens de le soutenir. Et selon nos informations, euh, euh, son parti, notamment son leader, le président de son parti, menacerait même véritablement de, quitter la, majorité. Donc, à vérifier, mais si effectivement c'est cela, euh, je pense qu'il faut euh, déplorer cette situation parce que moi je pense que dans un pays normal, lorsqu'un citoyen euh, va faire face à la justice pour expliquer sa gestion ou bien ses, actions, ce n'est que normal. Parce que normalement, s'il ne se reproche rien, il pourra prouver qu'il n'a rien fait, qu'il ne se reproche rien, et par conséquent, le juge ne peut pas L'infirmier, lorsqu'effectivement il apporte les preuves de ce qu'on lui reproche. Mais dans le cas où effectivement ce que lui reproche est fondé, mais il va assumer sa responsabilité. Donc moi je pense que euh, si c'est pour cette raison en tout cas que son parti peut être amené véritablement à dire qu'il va quitter la majorité, je pense que quelque part vraiment euh, c'est très maladroit euh, lorsque effectivement parce que au niveau de, normalement dans, un pays en tout cas organisé et vraiment normal, aucun citoyen au-dessus de la loi. Par conséquent, on peut demander des comptes à tout un chacun. Donc, euh, moi, je pense que, franchement, c'est pas un événement sur lequel il faut aller, donc, euh, comme on, euh, le voit. Moi, je pense que c'est l'ordre normal des choses. Un citoyen a été, donc, le reproche des choses. Il n'est pas le premier. Il, y a actuellement des gens qui sont en prison par rapport à la même situation de mauvaise gestion. Donc, euh, tout ce que peut, ce qu'il fait, effectivement, en tant que citoyen, euh, demander, par exemple, à, en tout cas, à, l'autorité publique, effectivement, euh, euh ce que, ce, ce, qui, effectivement, fait là, soit vraiment fait de manière, pas de poids, deux mesures. Quelle que soit l'appartenance politique de la personne, en tout cas, qui aurait mal géré le service public, effectivement, on lui demande compte Donc, de ce point de vue-là, moi, à mon avis, c'est juste un jeu classique vraiment de, de, trucs. Donc, quelqu'un a géré on le demande des comptes et il doit effectivement rendre compte à la nation. Merci Alaï Suleiman. Donc Hassan Seydou aurait entre autres euh, accumulé plus de sept mois d'arriérés de salaire aux agents de collectivité territoriale, détourné 3 milliards de francs CFA et endetté la ville de Niamey à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Est-ce que Garé, selon vous, euh, c'est à cause de toutes ces raisons citées que Hassan Seydou serait interpellé moi je pense que ce n'est pas, les arrêts de salaire et ce n'est pas l'endettement, mais c'est plutôt le détournement peut-être de 3 milliards. On a parlé aussi de, centaines de millions en termes de, de, bons d'essence, je crois, concernant, enfin, de, de, de, de frais d'essence qui ont été détournés aussi, etc., etc. Sur le principe, moi je ne vois pas pourquoi euh, son parti est en train de faire beaucoup de bouquins parce que tout simplement un militant a été interpellé, et un militant, et sur la base d'une inspection, il faut bien préciser les choses. C'est une inspection qui a démontré que il y a des choses sur lesquelles la justice doit investiguer. Du reste, être entendu au niveau de la police judiciaire, ça ne signifie pas une culpabilité. Je ne vois pas pourquoi son parti est en train de, de s'énerver pour rien, pour le moment. Peut-être qu'ils ont des choses à se reprocher, vraiment. Bon, je ne sais pas, mais pour moi, le fait d'être interpellé au niveau de la police judiciaire, c'est vraiment pour l'instruction du dossier. Et l'instruction, après l'instruction du dossier, on transmet au niveau de la justice. Au niveau de la justice, on fait le procès. Et à l'issue du procès, soit on vous condamne, soit on vous relaxe. Mais on n'est même pas là. C'est le principe même d'être entendu par la police que son parti trouve, euh, scandaleux. Non, ce n'est pas normal. Je pense, ce qu'ils peuvent exiger, comme l'a dit euh, Suleiman, c'est qu'il n'y ait pas de pas mesures. C'est-à-dire que s'il y a des maires au Niger et moi, c'est un appel que je lance. S'il y a des maires au Niger sur lesquels pèsent des présomptions de détournement ou de malversation, moi, j'aimerais que ces maires-là soient interpellés, quelle que soit leur obédience politique. S'ils sont des maires PNDS, s'ils sont des maires MNSD, s'ils sont des maires, quels que soient les maires qui sur lesquels des inspections auraient permis de... Si ces maires-là existent, eh bien qu'on puisse les confondre avec la justice. En ce moment, peut-être, le, le, le, Amen Amen se dira que non, non, ce n'est pas vraiment une sorte de ciblage, euh, c'est vraiment une, opération qui est là, même propre, qui suit, qui suit son cours. Mais sur le principe, j'ai dit, ce n'est pas normal que son parti considère que c'est un scandale que l'ancien maire qui a été révoqué soit entendu au niveau de la PJ. Franchement. Donc, euh, est-ce que vous pensez que les autres maires des, euh, arrondissements communaux ont du souci à se faire aussi Mais enfin, moi je pense ce n'est pas seulement les maires de, Niamey, les maires de partout. Je pense que l'interpellation de Seydou est un signal. Les maires de partout au Niger doivent savoir peut-être à partir de maintenant qu'il n'y a plus de... c'est la tolérance zéro. J'espère, j'ai dit, parce que je ne suis pas sûr que Hassan soit, soit le seul dans la situation. Je suis sûr je ne peux pas prouver, je ne peux pas jurer. Mais je suis sûr qu'à l'intérieur du pays, dans les régions, il y a des maires qui ont commis certaines malversations. Et moi, ce que je veux, je dis, je veux que le gouvernement puisse prouver au parti Amin Amin que ce n'est pas de la fixation. Que des maires qui sont dans les régions, que des maires PNDS même, qui ont commis des malversations, qu'ils soient entendus par la justice. Parce que pour le moment, eux, ils ont l'impression que c'est leur mère qui sont prises à partie parce qu'il y a Colo, etc., etc., etc. Et moi, je ne peux pas leur reprocher de se plaindre. Mais j'ai dit, il faut aussi avoir savoir raison garder, se dire que être interpellé au niveau de la PJ ne signifie pas culpabilité. Si Seydou ne se reproche rien, je pense qu'il va s'en sortir. Merci Garé. Il y a Rufai Dandoua qui vient de nous rejoindre. Donc, euh, nous parlions de l'interpellation de l'ancien président du conseil de ville euh, de Niamey, Hassan Seydou. Selon vous, pourquoi l'ancien président du conseil de ville a été interpellé à la PJ euh, Merci. J'avais suivi en, cours de route en, venant <laughs> le débat avec Garé et avec Alaï Suleiman. Et je pense que, comme l'a dit Garé, ce n'est que normal qu'on interpelle ou qu'on essaie de voir la gestion des gens qui ont géré à un moment donné de l'histoire. Ce n'est pas le seul. Vous vous rappelez ici, on en a parlé. À la vous vous rappelez, on a parlé. Je me rappelle même avoir donné le cas d'un maire de, de, ma commune, de Sassoumbroum, qui avait fui, je crois, pour avoir. Euh, et parce qu'on lui a reproché d'avoir de l'argent. Je pense que c'est normal et je pense aussi que c'est même tard de le faire. Moi, je me rappelle lorsqu'on avait voulu prolonger le mandat de, de ces maires, j'avais dit que ce n'était pas une bonne raison. J'aurais voulu à l'époque déjà qu'on dise à ces maires, OK, votre mandat est à terre, maintenant voilà ce que l'État doit faire, c'était d'amener des porteurs de tenue. Et jusqu'à aujourd'hui, je maintiens ma position. Si à l'époque on avait fait cela, parce qu'on n'avait plus de mandat, au nom de, qui il continue à être des représentants de ce peuple pour lequel il pense être là. Vous voyez, lorsque tu, tu, es là, tu, tu n'as aucun mandat. C'est vrai, c'est le gouvernement qui dit, OK, vous continuez. On se rappelle ici à Niamey, les gens ont fait trois ans sans, sans, être payés. Les, comment s'appelle les travailleurs municipaux ont fait trois ans, soit 76 mois, je crois, sans être payés. Comment pensez-vous qu'un parent peut vivre avec autant d'arriérés Où est passé tout l'argent qui est généré dans la communauté urbaine de Niamey Il faut qu'on fasse toute cette enquête, il faut qu'au-delà de sait Seydou, que les autres maires aussi puissent être interpellés, puissent être entendus pour savoir ce qu'ils ont fait. Puisque quand vous sortez dans la ville de Niamey, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des maires à Niamey. Il faut bien qu'on sache où, passe tout cet argent. Quand tu es à moto, quand tu es à vélo, quand tu es en voiture, quand tu es même à pied je dis qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de responsables à Niamey. Donc il faut que tous ces gens-là, même s'il y a des, alliances politiques, c'est vrai, peut-être que Amen Amin a, menacé. moi, pour moi, même si Amen Amin menace, même si Amen Amin quitte le PND, ça change quoi Je ne pense pas que ça change quelque chose. Ce sont des partis qui sont créés, qui s'agrippent au pouvoir. Il y en a beaucoup, ce n'est pas le seul, pour euh, avoir, comme on dit, du mangement les gens ont eu à un moment donné. Il faut aussi que s'ils ont mal mangé, <laughs> qu'ils ne vont pas. Merci Dandoua. Donc, euh, <laughs> Suleiman, est-ce que pensez-vous que quelque chose a changé ou quelque chose va changer sur l'image de Niamey en changeant les maires euh, Bon, moi j'ai vu les mesures quand que la nouvelle euh, autorité, l'administrateur délégué, en tout cas, ils ont donné une quinzaine de mesures euh, si véritablement ces mesures venaient à être euh, appliquées, il me paraît évident qu'il y aura changement. En fait, obligation de résultat par rapport au programme, en tout cas, du, sommet de l'Union africaine. Donc, il y a obligation de résultat. Et vraiment, les mesures, c'est pas du truc, c'est du concret. Si on arrivait véritablement, nous devons faire des arrêtés, les mettre en pratique véritablement dans les mois à venir, on verra qu'effectivement, il y a un changement. Ça, je ne doute pas. Si véritablement on met en œuvre ce qui est programmé, je pense que euh, on verra euh, un changement animé. Merci beaucoup. Donc, autre sujet de la semaine dont nous allons parler ce soir, c'est la dernière euh, Assemblée générale des pays membres des Nations Unies à New York aux États-Unis. Comme d'habitude, euh, il y a eu beaucoup d'allocutions de nombreux chefs d'État. Donc, euh, Gary, selon vous, quel était pour vous le discours le plus significatif au cours de cette rencontre-là je pense que le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacoubou, quand il était au niveau de l'Assemblée générale à New York le samedi dernier, a prononcé un important discours de plaidoyer pour faire en sorte que les pays du G5 Sahel puissent avoir le soutien financier nécessaire pour permettre à la force de 5 millions hommes qui doit être déployée pour qu'elle puisse être véritablement opérationnelle. Parce que vous savez, c'est environ, je crois, 460 millions d'euros qui sont attendus, mais à l'heure actuelle, il y a 100 et quelques millions. Chaque pays va amener 10 millions d'euros, l'Union européenne a donné 50 millions d'euros, la France a dit qu'elle va donner 8 millions d'euros, donc on est aux environs de 108 millions d'euros normalement. Bon, et ça ne suffit pas. Vous comprenez Et donc, si on va sur le principe que la lutte contre le terrorisme est une lutte globale, elle concerne le monde. Il ne faut pas penser que non, le terrorisme que le G5 Sahel va combattre ne concerne pas l'Europe. Non, l'État islamique, là, c'est toute une bande. Et c'est une, une, idéologie qui est là, sur toute la planète. Donc, si on combat le terrorisme au Sahel, on le combat aussi en Europe en réalité. Parce que ce sont les mêmes graines qui peuvent germer là-bas. Et je pense que euh, euh, j'ai été peiné par l'attitude de Donald Trump les États-Unis. Parce que quand les pays du g 5 salon avaient demandé une résolution des Nations Unies, sur le chapitre 7, parce que c'est le chapitre 7 qui permet l'utilisation de la force. Quand les pays du G5 ça l'avait demandé, Donald Trump a dit Ah non, euh, on ne peut pas euh, voter une résolution. Euh, il a fait des pressions, malgré l'engagement de la France. La France était, l'Union européenne était engagée, ils voulaient qu'on qu'on vote une résolution. Donald Trump a dit Non, on va faire une déclaration de soutien. Mais une déclaration de soutien, ça ne sert à rien du tout. Mais c'est bidon, ça ne sert à rien. Et après, quand le secrétaire général des Nations Unies a compris, il a voulu un peu arranger le sujet. Il dit oui, oui. Il dit bon, euh, il y a la déclaration, mais maintenant, moi, je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais essayer de, de convaincre les pays pour qu'ils puissent apporter des sous. Il n'y a rien. Parce que la résolution des Nations Unies, c'était la meilleure solution. Donald Trump a dit non. J'espère que le discours euh, de, de, Ibrahim Yacoub aux Nations Unies, j'espère que la réunion du G5 Sahel qui s'est tenue en marche de cette, Assemblée générale des Nations Unies va permettre de débloquer les choses. Parce que je vous le dis, tant qu'il n'y a pas une résolution, je vous assure, et ces fonds-là ne peuvent pas être réunis. Mais si chaque pays amène 10 millions d'euros, déjà ce sont des pays très pauvres. Mais nous sommes en train de mener la guerre contre Boko Haram sur nos propres fonds. Est-ce que vous comprenez Les pays occidentaux refusent de nous aider. Mais bon sang, et on leur demande, on dit non, non, on va combattre le terrorisme. le, G5 Sahel se réunit, on dit qu'on va combattre le, terrorisme au Sahel. Ils demandent de l'aide. Et les Américains disent non. Non, non, on ne donne pas, euh, on va même pas voter, parce que bon, c'est eux qui donnent l'argent au niveau des Nations Unies. Ils disent non, non, on ne va pas vous aider, on va juste faire une déclaration. Ça veut dire gérer votre terrorisme à vous seul. Ils considèrent que ça ne les concerne pas. Mais je vous assure, les terroristes sont contents quand ils entendent ça. Quand ils entendent que les États-Unis refuse à ce qu'on vote une résolution des Nations Unies, ce chapitre 7, qui va permettre à la force du g sahel d'avoir des moyens. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas qu'on les. c'est pas un cadeau. C'est un budget qui est là, qui a été fait. Donc, si les pays du G5 ont demandé à ce qu'on les appuie, de grâce, je demande aux Nations Unies, je les implore même pardon de voter cette résolution-là. Merci, Gary. Donc, euh, <laughs> vas-y, donne-moi. Euh, moi, je pense que euh, ben, Gary est, allé dans le fond, mais dans la forme, je pense que au Niger, on n'a pas été méthodique. Lorsque même les, g 5 à eux réunis y compris l'Union européenne, ne sont pas entendus par les États-Unis, la première puissance économique du monde qui contribue plus que la, presque la majorité des pays au sein des Nations Unies. Et que nous, qu'est-ce qu'on fait On laisse le ministre des Affaires étrangères faire un discours. Qui va l'écouter même notre président, quand il fait son discours, d'ailleurs, la majorité des présidents africains ou les présidents des pays dits petits pays entre griffes, quand ils font leur discours, Regardez la salle, il y a qui qui écoute. À plus forte raison, vous laissez votre ministre des Affaires étrangères faire un discours. Moi, je n'ai jamais été eh, au sein des Nations Unies quand il y a ce, genre de choses. Mais ce sont les grands pays qui commencent leur discours. Quand ils finissent leur discours, maintenant les, autres pays viennent. Mais quand les grands finissent, il n'y a plus, pratiquement plus personne dans la salle. Et maintenant, nous, notre, ministre des Affaires étrangères. Il vient, il fait son discours devant qui Qui écoute Et même s'il y a des représentants des pays qui prennent note. Déjà, en amont, il y avait eu cette euh, rencontre des G5 qui avait eu lieu entre les, présidents des pays, avec le président français et le secrétaire général des Nations Unies. Donc, on avait déjà eh, annoncé les jalons, mais déjà on savait que les États-Unis n'allaient pas, rien faire. Donc, le discours du ministre des Affaires étrangères du Niger, qu'il soit poignant, qu'il soit tout ce qu'il a pu être, je ne pense pas qu'il puisse changer quelque chose. Merci. Donc, El Hajj Suleiman, pourquoi les pays riches euh, comme les États-Unis hésitent euh, à appuyer le G5 selon vous euh, Je ne sais pas le secret, mais quand même, c'était assez gênant euh, si on considère la question de sécurité comme une question globale, aujourd'hui, euh, en tout cas, les faits euh, le prouvent, euh, ce qui se passe ici au niveau du Sahel peut effectivement concerner l'Occident. Donc la position américaine, elle est quand même assez surprenante. Et ils viennent encore de mettre, comme on dit, le feu euh, tout à fait, parce que le fait de suspendre, en tout cas de considérer que le Sahel c'est un pays, de le mettre dans la, liste noire, euh, c'est encore assez, assez gênant. D'ailleurs, on a suivi la, le G5 Sahel a fait un communiqué pour euh, demander aux États-Unis d'enlever le Sahel, parce que le Sahel c'est quand même, une, force sur laquelle il faut compter aujourd'hui, au moins que les Américains apportent les preuves de ce qu'ils accusent euh, ce que, en tout cas, reproche au Tchad, ne peut pas convaincre euh, le monde que le Tchad ne, joue pas un rôle important dans ce, sens-là. Mais au-delà, ce que euh, véritablement, pas seulement en ce qui nous concerne, donc le G5 Sahel, même la réforme demandée par Donald Trump pour la réforme de, de l'ONU, d'aucuns disent que son seul souci, c'est de réduire la participation euh, des États-Unis sur le budget euh, de l'ONU. Et vous voyez, ce n'est pas assez noble euh, comme vision. Donc, bref, si vraiment, moi, je pense que, en substance, ce qu'on doit se dire que notre sécurité, c'est d'abord notre affaire, et par conséquent, vous avez, on a perdu beaucoup de temps. Vous voyez cette affaire, la, la force mixte, avant ça, au niveau du Mali, la Syrie était incapable de donner les moyens pour agir. On a vu cette affaire de Boko Haram on n'a pas les moyens. Nos États, le Tchad et l'Union particulièrement, ils ont mis beaucoup, ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices sur leurs propres moyens. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on perde beaucoup de, temps. Dans tous les cas, euh, ils le savent plus que nous, les Occidentaux. La question du Sahel, c'est une question géostratégique, qui, ça les concerne beaucoup. Et moi, je pense qu'il y a Anguille sur peut-être que les Américains ont des calculs particuliers de, par, par, rapport en tout cas à leur refus euh, donc de, de donner les moyens en tout cas à la, à, à, au G5 Sahel. Merci. Bon, dans tous les cas, je pense que euh, le temps nous apprendra en tout cas le fond de cette décision. Merci Haj Suleiman. Donc euh, sur un tout autre plan, le Hajj édition 2017 avec euh, le retour des pèlerins nigériens. Pour le Hajj à l'aller comme au retour, les vols charters ont transporté environ 10 000 pèlerins nigériens et les 3 000 autres par vol régulier. À ce jour, tous les pèlerins nigériens sont rentrés à Niamey, selon Mustafa Kadi, membre du comité d'accueil des pèlerins nigériens en Arabie Saoudite. Garey, est-ce que quelle appréciation faites-vous de l'organisation du Hajj édition 2017 pour, pour une fois, j'ai remarqué que là, c'est un Hajj. Oui, oui. Oui, oui, non, pour une fois, pour une fois vraiment, j'ai l'impression que c'est un Hajj il n'y a pas beaucoup de problèmes. Parce que y a Hajj sans problème, ça n'existe pas. Mais pour une fois, je vois les départs orages que sont relais. sans problème. Les vols ont été respectés et les retours sont là. Maintenant, peut-être les gens attendent les bagages. Mais j'ai dit bravo. Donc ça veut dire que si on veut, on peut faire. Vous comprenez Mais ça veut dire que peut-être que l'équipe actuelle au niveau du Coho est une équipe assez compétente peut-être en fait, on avait raté le coach depuis les autres, les, précédentes où on avait mis des gens pratiquement incompétents ou qui avaient des calculs euh, pécuniaires à, régler ou qui voulaient se remplir. Mais là, on constate que vraiment tout se déroule normalement. Et j'ai dit bravo. Et j'ai dit que euh, euh, c'est une félicitation à rendre au niveau du Coho, mais je préfère garder quand même être prudent tant que les bagages, ne sont pas venus. ah non, non, non, mais ça c'est clair, parce qu'on a vu, la, question des bagages parfois aussi c'est très problématique. Donc, mais pour le moment, je peux dire qu'à 50%, moi, je suis satisfait. Le jour où les bagages des passagers, des, des pèlerins vont revenir sans problème, le jour-là, je donnerai le 100% de satisfaction au cas Merci. Roufaï, euh, donc euh, une petite comparaison par rapport aux cinq dernières années. justement, euh, à l'époque, quand on avait créé le COHO, on avait mis un monsieur à la tête de cette, de cette institution avec sa barbichette, pensant que c'est un monsieur pieux, comme quoi la vie ne fait pas le moine. Aujourd'hui, on a changé les choses. Et vraiment, en dehors de quelques petites, petits quoi qu'on a entendu à la Mecque où il y avait

et quelques personnes qui ont été un peu flouées et je crois qu'ils ont été, euh, les amis dans leur roi. Il n'y a pas eu autant de tapage ou bien des gens qui ont été laissés au Niger. Avant, vous vous rappelez, le coup, c'était d'interminables problèmes. Cette année, quand même, deux merci, ça va. C'est vrai, comme, comme Garé dit qu'il n'y a pas de Hajj sans problème, moi je pense qu'on peut avoir de Hajj sans problème si tout est réuni. Si cette année, pour la première de cette euh, équipe en place, elle est arrivée à faire et ce qu'elle a fait cette fois-ci. Ça veut dire que l'année prochaine, elle va voir ce qui n'a pas manqué pour essayer de régler tous les petits problèmes et on verra un high sans problème. Les gens vont aller, et même si le prix augmente chaque fois qu'on se demande quand nous on va aller à la Mecque, <laughs> <laughs> on, on, va prendre l'avion. Elaï Suleiman, donc euh, selon vous, qu'est-ce qui a changé, qui a amélioré l'organisation du Hajj euh, Bon, moi je pense que ce qui a changé, c'est qu'il faut ne pas oublier quand qu'il y a eu des réformes au niveau de ce faut. Parce qu'avant, quand ce qui s'est passé, euh, les, Nigériens se font enregistrer à la dernière minute et dans la réforme, ils ont fait en sorte que non, les agences doivent, en tout cas, ils un délai où doivent déclarer le nombre de leurs pèlerins et par conséquent, on prend des mesures euh, euh, qui, si ça, c'est un, aspect important. Mais vraiment, ce que je pense qui a évolué particulièrement, c'est la question du transport. Parce que le, euh, gardien du problème du en tout cas, le problème du essentiel, c'est le transport. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. En tout cas, le, transport a été assuré en temps réel. Et au départ et au, retour, c'est une, très bonne chose. Euh, mais je pense que cela est mettre à l'actif, certes, de, la nouvelle équipe, mais il y a des réformes qu'ils ont quand même fait au niveau du, COFO. Euh, il y a quelques problème est un moment donc euh, euh, que les gens disaient que euh, en tout cas au niveau des agences par exemple au niveau de la prise en charge euh, des, des pèlerins certains services ne sont pas ne sont, ne sont pas faits moi j'ai échangé avec quelqu'un un confrère qui a fait le h cette année et il m'a dit, en tout cas, l'ensemble de ces, choses se sont, sont, bien, se sont, bien, passées. Mais je pense qu'il est permis d'espérer désormais que. Parce que véritablement, quand on compare notre pays par rapport au Nigeria, par exemple, le nombre de pèlerins nigériens, c'est pas grand monde. Hein. Mais nous avons, on n'a pas de, des avions au niveau du Niger, on dépend d'autres compagnies. Mais je pense que, en tout cas, euh, les transporteurs nigériens qui sont en tout cas en relation d'affaires avec les autres, en tout cas, ont été de d'efficacité, ce qui a permis véritablement qu'on soit vraiment à jour cette année. Donc vraiment, nos encouragements en tout cas au Coho et à tous ceux qui ont fait en sorte que ce soit vraiment une réussite. Merci. Donc euh, enfin, nous allons parler du sport euh, avec euh, la participation du MENA au, à l'édition du tournoi de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA qui s'est déroulé au Ghana du 6 au 25 septembre dernier. Notre équipe nationale est allée jusqu'en demi-finale où elle a perdu le match face au Black Star du Ghana par 2 buts à 0, puis s'est classée troisième de la compétition après sa victoire face à l'équipe béninoise par 2 buts à 1. Donc, euh, Gary, selon toi, quel commentaire euh, faites-vous du déroulement du match de groupe Bénin-Niger où notre pays s'est retrouvé avec 11 joueurs contre 9? Oui, euh, vraiment, j'ai euh, d'abord je félicite euh, vraiment le, staff technique du, du, MENA parce que vous savez, j'ai l'impression qu'une nouvelle équipe est en train d'être construite, une équipe qui promet, vous comprenez, parce que la performance qu'ils ont qu'ils ont eu au niveau de, cette Coupe UFOA, elle est remarquable, parce qu'ils ont battu des équipes, le, MENA a battu le Sénégal, c'est pas une petite équipe le Sénégal, je crois qu'ils ont battu une autre équipe, ils ont battu le Bénin. Ensuite, ils ont perdu face au Bénin, etc. Mais c'est une équipe qui est en construction. Mais le match contre le Bénin, le deuxième match contre le Bénin, mais c'était un scandale. Mais comment, comment est-ce que vous pouvez d'abord et, deux, cartes, bon, deux cartes rouges à neuf le ménage joue à neuf. Et vous savez, malgré qu'ils ont joué à neuf, les Béninois ont un peiné pour gagner le match là. C'était difficile. Parce que pourquoi Parce qu'on a des joueurs, apparemment, on est en train de construire une équipe nationale très forte avec les joueurs-là qui ont participé à la Coupe d'Ivoire. Ils ont eu tous les problèmes du monde pour gagner le match-là 2-1. Peut-être que parce, que les gardiens n'étaient pas là. Mais c'était un joueur qu'on a pris pour, remplacer le gardien. Parce que le gardien remplaçant, lui aussi, il a, je crois que lui, il, soit il a eu un carton, voilà, il y a eu le premier gardien qui s'est blessé, on l'a remplacé par un autre gardien qui a eu un carton, je crois, rouge, un truc comme ça. Bon, après, on était obligé de mettre un joueur de champ en tant que gardien. Mais malgré ça, ils vous ont peiné, je vous dis, pour pouvoir marquer le, deuxième but qui, était le une de qualification. Mais malgré tout, on était deuxième de notre poule, ce qui nous a permis d'aller en demi-finale. Malheureusement, on n'a pas pu aller en finale. On a la troisième place, mais c'est très bien. Et j'ai dit, cette équipe-là, il faut qu'on la consolide, il faut qu'on lui donne tous les soutiens nécessaires et elle va aller loin. Donc, euh, Rufai, donc, euh, comment trouvez-vous euh, ces joueurs locaux par rapport aux joueurs euh, professionnels de l'équipe nationale oui, ce sont des joueurs professionnels, puisque quand vous prenez, pas l'ossature, mais beaucoup de joueurs de cette équipe qui a joué l'UFOA, vous trouvez une dizaine, voire ou plus de la moitié qui sont aussi dans l'équipe nationale. Vous allez juste ajouter peut-être 5 à 7 joueurs qui sont à l'extérieur et vous avez les nationale. C'est pour ça que je me dis, et comme le dit Garé, on, si on veut construire une équipe nationale eh, pour le futur, il faut que par exemple des gardiens, des joueurs comme par exemple Loda, Loda Kassali, qui est en équipe nationale depuis plus de 10 ans, ne participe pas à ce genre de compétition. L'UFOA est censé permettre, puisque c'est une compétition qui a été créée et qui revient, qui a été, qu'on a enterrée et qui aujourd'hui a eu des sponsors et qui revient, il faut qu'on laisse par exemple les joueurs de seconde zone la jouer. Pourquoi Pour leur permettre d'avoir, de la compétition. Quand on prend par exemple eh, Daouda Kassali, quand on prend Sako, quand on prend ces anciens qui ont joué depuis 99 jusqu'à aujourd'hui et qui continuent, par exemple à jouer cette compétition, je pense que ce n'est pas bien. Quand on prend par exemple le même staff technique et de l'équipe nationale A qui continue à coacher la même équipe il faut aussi qu'on laisse d'autres entraîneurs s'aguerrir pour leur permettre d'avoir. Et là, Suleiman, brièvement, comment avez-vous trouvé la, performance du MENA face aux équipes telles que du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou du Togo C'est encourageant, euh, euh, avec tout ce qu'on a eu comme entrave, comme euh, obstacle. Le résultat, quand même, est encourageant et on ne peut que les encourager. Euh, mais l'initiative, c'est que j'ai constaté désormais au niveau national, en tout cas, il y des initiatives qui consistent à faire, en tout cas, sélectionner à la base, à partir du village, les joueurs. Je pense que ça doit. C'est cela, en tout cas, on va avoir des vraies équipes nationales où véritablement on a puisé des ressources euh, au niveau, de, en tout cas, de toutes les régions du Niger. Quoi. Merci beaucoup. Donc, euh, c'est la fin du forum de la presse de ce vendredi. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Karangou en compagnie des confrères journalistes Rufai Dandoua, journaliste indépendant, Gare Amadou du quotidien La Nation et El Suleiman Mahamadou du journal Al Niger Inter. Retrouvez demain samedi à 17h15 le forum en Hausa et celui en Zarma le dimanche à la même heure sur les préparatifs de la rentrée scolaire. Au revoir.